les auditeurs et téléspectateurs des 52 radios et des 7 euh, télévisions partenaires du studio Kalangou, bonsoir et bienvenue dans le forum de la presse de ce soir, votre rendez-vous hebdomadaire de décryptage des faits saillants ayant marqué l'actualité de la semaine. Et cette semaine, les sujets qui ont marqué l'actualité et qui ont retenu notre euh, attention sont D'abord, la célébration le 3 mai dernier de la journée mondiale de la liberté de la presse sous le thème Façonner un avenir des droits, la liberté d'expression, clé de voûte des droits humains. Ensuite, nous parlerons de la célébration le 1er mai de la fête du travail. Enfin, nous terminerons ce forum de la presse avec un triste phénomène de société. Il s'agit de la récurrence des cas de viol dans la région de Maradi. Pour euh, analyser tous ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir euh, les confrères Maïmoune Gado, journaliste euh, indépendante, Gary Amadou, journaliste au quotidien La Nation, et Hussein Sajibo. Il est également journaliste indépendant. À la modération du Forum de la presse de ce soir, je suis Michel Dj Façonner un avenir des droits, la liberté d'expression, clé de voûte des droits humains, c'est le thème retenu pour la célébration le 3 mai dernier par la communauté internationale de la journée mondiale de la liberté de la presse. Cette journée, il faut le rappeler, avait été décidée lors de la 48e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'était en 1993. Mais Diado, qu'est-ce qui fait la particularité de la célébration de cette journée mondiale de la liberté de la presse euh, édition 2023 donc. Cette année, c'est quand même, euh, on a eu droit seulement à une déclaration de la Maison de, la, presse, de la, presse, mhm. euh, qui nous a fait, euh, en tout cas, la genèse donc, de, de, la liberté de la presse ici au Niger. Mhm. et donc, c'est vraiment pour dire que, en fait, ici, la liberté de la presse comme l'a dit le président de la Maison de la Presse, nous avons perdu, je ne sais pas, ces deux places, je pense bien. Deux places euh, par rapport euh, à l'année passée. À l'année passée. Dans le classement de reporters sans frontières. de cette liberté de la mhm. presse ici au Niger. Et maintenant, mais qu'est-ce qui est à l'origine peut-être de mhm. cette régression, de, cette liberté d'expression, liberté de la presse mhm. Il faut se demander aussi, est-ce que aujourd'hui, ça veut dire que euh, nous-mêmes les journalistes, est-ce que nous faisons très bien notre travail mhm. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes dans les conditions de bien, en tout cas, exercer le métier tout cela concourt en fait, parce qu'il ne faut pas regarder seulement que nous avons regressé de, de, deux pas en arrière. Mhm. C'est juste pour dire que aussi c'est les conditions que nous avons décriées depuis mhm. concourent également à ça. Donc euh, ce que je peux dire, c'est tout simplement qu'il faut que les journalistes qu'on s'y mette, en tout cas, pour revoir notre copie pour voir comment est-ce que nous pouvons relever le défi pour mhm. que l'année prochaine, pour qu'on ne soit pas encore, euh, au lieu de deux, se voir encore mhm. arriver jusqu'à un niveau où ça serait déplorable. Mhm. Et pour cela, il faut d'abord qu'il y ait la confraternité entre les hommes de médias. Il faut que nous autres journalistes, que nous puissions en tout cas cultiver cette confraternité, que nous puissions nous aider, que nous puissions travailler à, bon escient, que nous puissions être, nous regarder et, se dire que vraiment euh, tout ce que nous devons faire, nous devrons le faire à bien. Et c'est pour sauvegarder la profession. C'est pour également amener un plus pour que aujourd'hui cette profession hein, qui, de par le monde, <laughs> nous sommes le quatrième pouvoir. Et le quatrième pouvoir, euh, moi je me dis qu'on a toutes les possibilités, la possibilité ou les possibilités aujourd'hui d'aller de l'avant, mhm. d'exercer le travail, de faire en sorte que la jeune génération qui va venir après nous puisse également qu'on puisse leur léguer quelque chose. Merci Maïmouna Diado. Justement, cette euh, journée mondiale de la liberté de la presse célébrée le 3 mai de chaque année est une occasion pour les pouvoirs euh, publics, les journalistes, mais également les défenseurs des droits humains et de la liberté d'expression en particulier, de voir un peu la situation du respect des droits de l'homme, mais également de la liberté d'expression. Au Niger, selon RSF, nous avons justement perdu deux places dans le classement 2023 de RSF. La maison de la presse a eu à déplorer cet état de fait à travers une déclaration rendue publique à l'occasion de cette édition 2023 de la Journée mondiale de la liberté de la presse on écoute euh, à ce sujet le président de la Maison de la Presse, Ibrahim Hagouna. Le premier constat est que euh, le Niger recule dans le classement RSF. En 2021, nous étions à la 57e place. En 2022, nous sommes passés à la 59e place. Et aujourd'hui, en 2023, nous passons à la 61e place. Cela veut dire que progressivement, nous sommes en train de reculer. Et si vous vous rappelez, une année, le Niger était même à la 29e place sur 480 pays. Si aujourd'hui nous reculons, c'est parce que la situation est en train de se détériorer. Et et les raisons de cette euh, détérioration de la situation sont nombreuses. Vous avez un climat sécuritaire très délétère et euh, commun au pays du Sahel, mais aussi le manque de respect des engagements pris par l'État concernant les médias au Niger. La maison de la presse est battue pour que la convention collective soit signée. On n'a pas senti l'engagement de l'État pour accompagner les médias à ce qu'ils puissent supporter les nouveaux engagements euh, dans le cadre de la convention collective des propos recueillis par Mokhtar Amadou, Garé Amadou. Quelle euh, analyse vous suscite euh, ces propos du président de la Maison de la Presse, Ibrahim Haruna, par rapport euh, à l'état de la liberté de la presse au Niger, ainsi que les difficultés que rencontrent les journalistes dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions oui, ce que le, le président Ibrahim Harouna a dit est particulièrement vrai. Euh, c'est vrai que Reporters sans frontières, dans le cadre de son classement, a bien relevé que c'est surtout le contexte sécuritaire qui a impacté sur le classement du Niger. Parce que mm. le Niger est quand même ce pays qui a la particularité euh, d'être le pays dans lequel on n'a jamais assassiné un journaliste. Mm. Jamais. Ils l'ont relevé. Ils disent en 2023, zéro journaliste tué, zéro journaliste emprisonné. Mais c'est que c'est même, même mieux pour le Niger. Au Niger, il n'y a jamais un journaliste assassiné, à part bien sûr euh, le regretter. Euh, euh, comment on appelle, euh, le journaliste de, RM qui avait sauté sur une mine. Mhm. C'était pratiquement une mine qui n'était pas destinée, mhm. mais il a sauté sur la mine. C'était pratiquement le seul journaliste. Le Niger a la particularité de n'avoir jamais eu d'assassinat politique. Mhm d'hommes politiques et de n'avoir jamais eu d'assassinat de journalistes. Ça, c'est quelque chose dont nous devons être fiers. Mm. Ce pays-là est un pays exceptionnel. Quand on voit ce qui se passe dans la sous-région, au Burkina, au Mali, où à l'époque de Ibeka, un journaliste a disparu, jusqu'à présent on ne l'a pas vu. On ne sait pas ce qu'il est devenu. On dit qu'il a été assassiné sous, euh, euh, sous, les ordres de, Karim Keta. Et, au, Mali, jusqu'à récemment, un confrère, un ami à moi a été interpellé mm. avec, par des hommes cagoulés, mm. n'est-ce pas Et heureusement, quelques jours après, il a été libéré je ne parle même pas des autres pays de la Le Cameroun où... Euh, Plus récemment. Le Cameroun où, mm-hmm. voilà, euh, euh, notre confrère Zogo a été assassiné mm-hmm. de façon aussi horrible après avoir été torturé. Je ne parle Vous voyez donc, c'est un pays, moi je considère que dans le domaine de la presse, ce pays-là, c'est un pays béni. Nous disons c'est un pays béni parce que nous devons être fiers, parce que c'est vrai qu'il y a des problèmes. Ibrahim Haroun a relevé les problèmes. Il a, dit il a parlé de la convention collective. Il y a même la loi sur la publicité. Il y a le besoin d'augmenter le fonds d'aide à la presse. Tout cela, ce sont des choses que, nous avons souhaitées. Parce que le fonds d'aide à la presse au Niger est le plus dérisoire de la sous-région. Le plus dérisoire. 200 millions, ça fait rire certains. Au Sénégal, je pense que c'est autour de 1 milliard et quelques qu'on donne aux, médias. Donc vous voyez, je pense qu'il y, y, a beaucoup de défis. Mais euh, rejouissons nous que ce pays-là, malgré tout ce qu'on peut avoir, souvent des problèmes de journalistes qui sont souvent interpellés au niveau de la justice, mm. malgré tout, je crois qu'il y a il y a un degré d'humanité que notre peuple a qui fait qu'il y a des limites qu'on ne franchit pas. C'est-à-dire que quel que soit le problème que vous avez, qu'un homme politique ou qu'un homme d'affaires a avec un journaliste, il n'arrive jamais à l'extrémité où il peut envoyer des gens pour assassiner le journaliste comme ça se fait dans d'autres pays. Oui, mais ça, c'est un crime très grave. Justement, il faut s'en réjouir parce qu'on n'est pas arrivé à ça. Mais un journaliste, quand même, quand il va en prison, quand il y a la détention préventive, par exemple. Mais bien sûr, Alors qu'à partir de 2010, déjà l'ordonnance euh, qui prévoit la dépénalisation, cela euh, en tout cas les partisans de la liberté de la presse, et d'ailleurs la maison de la presse, euh, très souvent cela est condamné. Oui, bien le fait qu'on ait des cas de détention bien préventive. Tout cela, il faut. Par tout à tout ça, tout oui, tout cela, ce sont des mm. choses, ce sont des choses qu'il ne faut pas souhaiter. Mais il mm. faut bien relever que le Reporters sans frontières a relevé que pendant cette année-là, il n'y a rien eu de cela. Mm aucun journaliste interpellé, aucun journaliste emprisonné. Mhm. Est-ce que vous comprenez cette mhm. année mhm. Et donc, je vais dire même depuis l'arrivée du président Bazoum au pouvoir, on, constate quand même une sorte de, euh, de tolérance concernant les... Et Dieu seul sait que nous commettons parfois beaucoup de, de, mhm. de, bavure dans notre métier. Mhm. Hein? Excusez-moi du mais il y a beaucoup de conneries qu'on fait. Vous comprenez Mais malgré tout. Ça veut dire qu'il faut être plus responsable. il faut qu'on soit aussi beaucoup plus responsable. Parce que le métier exige le respect de l'éthique et de la déontologie. écoute, Michel, on est dans un contexte mhm. d'insécurité. Et vous voyez ce que parfois nous publions n'est-ce pas Nous publions des choses parfois non vérifiées, des fausses informations, des fake news que nous publions, que nous partageons. Et après, on vient, on, présente des excuses. Moi, je pense que donnons-nous, comme l'a dit Memouna, beaucoup plus de rigueur dans le métier. Faisons en sorte que nous faisons notre métier dans le respect de l'éthique et de l'ontologie. Et même quand on fait euh, quand on fait des révélations contre certaines personnes, qu'elles puissent être étayées par des preuves, parce que le jour où la personne va porter plainte, c'est sur ces preuves-là qu'elles vont se baser, n'est-ce pas, les juges pour pouvoir euh, permettre. Parce qu'il faut même qu'on le dise, le journaliste n'est pas une personne non justiciable. Mmh. Ah non, faut pas, faut mhm. pas qu'on se trompe. Faut pas qu'on pense que parce qu'on a dépénalisé, non, le journaliste n'est pas, pas justiciable. Le journaliste mhm. n'est pas un être exceptionnel. Mhm. Ce n'est pas un être super Il peut d'ailleurs être condamné. bien sûr. Juste ce qu'on lui donne la faveur de ne pas aller en prison. Il y a des efforts à faire. Il y, a des efforts à faire, n'est-ce pas, de la part du gouvernement. Faisons en sorte que, et, en tout cas, nous encourageons le gouvernement à ne pas aller dans le sens de l'interpellation des journalistes, n'est-ce pas, et à ne pas aller dans le sens de l'emprisonnement des journalistes et vraiment à tout faire pour que toutes les doléances pratiquement qui ont été soulevé par le président de la maison de la presse et qui a mm. été rappelé par le président euh, euh, du CSC mm. lors du cocktail qu'il a organisé pour les responsables des médias mm. et qui a rappelé tous les défis qui sont inhérents à la profession aujourd'hui au Niger. Merci beaucoup, Garé. Hussein Issa, faut-il se réjouir de la situation actuelle euh, de la liberté de la presse au Niger et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour l'améliorer Alors ah là, de mon point de vue, non. Non. Je suis d'accord avec ce que Gary a dit, je suis d'accord avec ce que Mémon a dit. Mhm. par rapport, il n'y a pas sur le plan, comment dirige de la Il n'y a jamais eu d'assassinat. Oui, il n'y a pas eu d'assassinat, il n'y a mhm. pas eu, parce que, comment vais-je dire, euh, il y a quand même une espèce, euh, il y a eu quand même un minimum de tolérance, euh, mhm. n'est-ce pas Mais malheureusement, tout ça, ça est en train de se dégrader, ces valeurs-là. Ça est C'est en train de se dégrader, en ce sens qu'aujourd'hui, de plus en plus, se développe une tolérance sur la base de considérations politiques. Et les journalistes sont engouffrés dans cette voie-là. À l'époque, ça n'existait pas. Les gens avaient leur position partisane, mhm. mais il y avait quand même un million de confraternités. Aujourd'hui, du fait de cette intolérance, comme avait dit, euh, la confraternité est en train quand même a connu beaucoup, comme avait dit, a connu un certain recul. Mm. Et ça fait qu'aujourd'hui, les gens, par rapport même au respect de l'éthique et de la déontologie, je veux bien que les gens en parlent chaque fois. Mais aujourd'hui, quand vous faites un peu, comment dirais-je, euh, vous regardez un peu ce qui se passe à l'intérieur des médias, vous allez constater que les gens en parlent, mais les gens ne l'appliquent pas. C'est pas qu'il y en a qui ne connaissent même pas. Qu'est-ce que le journaliste doit faire Qu'est-ce que le journaliste ne doit pas faire N'est-ce pas ces dernières années, on a connu tout ça. Indépendamment des autres problèmes, bien évidemment, je vais parler un peu de la précarité dans laquelle évoluent les gens. Et c'est mm. lié, c'est quelque part lié. Quand un journaliste n'arrive pas à s'assurer quand même un minimum, bien évidemment, il faut s'attendre à, ce qu'il soit corrompu. Et une fois que la corruption s'installe, il faut s'attendre à tout. Et c'est pour ça que j'ai dit, il faut vraiment que la corporation se ressaisisse. Mm. Parce qu'une corporation, sa force, une corporation, sa force, c'est la confraternité. Mhm. Je peux ne pas être d'accord avec vous, on n'a pas la même vision, la même conception des choses en politique, mais on doit se tolérer mhm. dans le cadre de la de l'exercice de la Mais quand on va pousser, on risque, parce que dans tous ces pays-là que Gary vient de souligner, c'est à cause de l'intolérance qu'on est arrivé à des situations où on tue des journalistes quand l'intolérance arrive à un certain degré, il n'y a plus de contrôle. Mhm. L'être humain devient animal. On voit un peu ce qui se passe, tous les conflits là auxquels on assiste. Mhm. Et bien évidemment, il y a aussi cette difficulté que les journalistes ont, qui, qui, ne peut plus aller aujourd'hui sur le terrain, en tout cas, euh, euh, dans, les zones, un peu partout, c'est plus possible. Il n'y a plus possibilité de faire des reportages dans beaucoup de zones de ce pays, mhm. n'est-ce pas Ça fait que tout est limité quelque part. Euh, non seulement à Niamey, mais également la région, également, les gens ne peuvent pas aller quelque part. Mm. Tout ça, c'est des difficultés que les journalistes éprouvent aujourd'hui ces dernières années. Et ça fait que ça a un impact sur le plan de la qualité, sur le plan des contenus. Mm. Ça a un impact quand même négatif. Et bon, on espère que la situation va s'améliorer, mais ce sur quoi je vais insister, c'est qu'il faut que les gens mettent l'accent sur la confraternité. Mm. N'est-ce pas Aujourd'hui, quand on met en plus <laughs> les, réseaux sociaux dans la danse, c'est qu'on voit ce qui se passe sur, la toile, on se pose bien des questions. On se pose bien des questions. Où va ce pays Où va ce pays Parce que c'est ça qui est en train de cultiver davantage l'intolérance. Quand vous allez sur les groupes, sur les, vous allez constater un certain nombre de choses qu'on est en train de laisser faire, qu'on doit normalement pouvoir arrêter. Mhm. N'est-ce pas Malheureusement, on a comme l'impression, bon, c'est une plateforme qui est là, personne ne s'occupe de ça. Mhm. Les gens font ce qu'ils veulent là-dessus. Et c'est des choses comme ça qui poussent, euh, qui, font basculer dans, l'inconnu. Hein. Mhm. Il faut vraiment que les gens réfléchissent à ces questions-là. Moi, je pense que c'est très important. Il ne faut pas laisser prendre la situation pour pouvoir corriger. Mhm. Merci. Vous avez voulu rajouter, ajouter un mot par rapport au, concept de confraternité. C'est vrai ce que vous avez dit, la confraternité a pris un gros coup. Aujourd'hui, il y a des groupes que les médias ont créés les gens passent tout le temps en train de s'insulter. Mhm. Moi, personnellement, j'ai quitté un groupe à cause de cela, mhm. à cause des insultes. Les gens Et c'est dû à quoi L'intolérance. Non, mhm. c'est dû aux considérations. Les gens ont des penser qu'il y a des journalistes qui sont à la solde de certains hommes bien politiques, bien cela. Mais bien sûr, et parfois c'est des considérations vraiment de très bas niveau. Et c'est dû à quoi Non, c'est dû à l'acquaintance de certains journalistes avec la classe politique. Mhm. Parce qu'un journaliste, il est censé être neutre. bien sûr, il est censé être Il est là pour tout le monde. Voilà, mais, malheureusement, il les défend la vérité. Je vous dis, dans le groupe, le groupe WhatsApp, les gens s'échappent. Mhm. Ils passent tout leur temps en train de s'insulter. Deuxième chose, le risque que nous avons aujourd'hui, c'est concernant la multiplication des blogueurs. On dit, ah oui, les blogueurs, c'est ils font de l'information. J'ai dit non. On parle euh, de plus en plus d'activistes qui publie des informations et on dit c'est un, tel qui a dit. Oui, oui, <laughs> on parle d'activistes, on parle de lanceurs d'alerte. Ils ne mm. savent même pas ce que c'est lanceur d'alerte. Mais les gens passent tout leur temps en train de diffuser n'importe quoi, surtout sur les réseaux sociaux, comme l'a dit Ousseini. Mm-hmm. Et c'est extrêmement dangereux. Mm-hmm. Parce que euh, l'information n'est plus, plus vérifiée. Mm-hmm. C'est du sensationnel, et quand tu vas dans le sensationnel, tu vas dans l'erreur. Mm. Et quand tu vas dans l'erreur, c'est que c'est sûr que tu vas, cela va avoir des conséquences sur la vie de quelqu'un, un citoyen. Et sur ce on ne peut pas savoir sa réaction. Bien heureusement, heureusement que le Niger aujourd'hui, j'ai dit, il y a des limites, mais il faut qu'on fasse extrêmement attention. Et il faut que, surtout moi pour moi, le milieu de blogueurs, il faut qu'on puisse vraiment le réguler. Merci beaucoup. Passons à présent au second sujet du forum de la presse de ce soir. Le monde des travailleurs a célébré le 1er mai dernier la fête du travail commémorant le 137e anniversaire des tristes événements de Chicago intervenus en 1886. C'est de leur héritage que les travailleurs ont aujourd'hui acquis plusieurs droits dont la durée légale de travail de 8 heures par jour. Au Niger, la célébration de cette journée a été marquée par l'organisation de plusieurs défilés ainsi que la remise des cahiers de doléances au gouvernement et des activités festives. Mais Mungado, dans quel contexte est intervenue cette euh, célébration de la fête du 1er mai au Niger, dans le monde des travailleurs nigériens bon, Dans le monde des travailleurs nigériens, euh, vu le contexte euh, de morosité économique aussi, il faut l'appeler, mhm. Mais ça n'a pas empêché quand même les travailleurs de fêter, de sortir, de défiler comme à l'habitude. Puisque ça fait, quand on regarde, ça fait à peu près deux ans, deux ans que les travailleurs nigériens n'ont pas battu le pavé en tout cas, pour euh, exprimer euh, leur euh, joie à travers les défilés. Donc, quand je dis deux ans, euh, il y, avait eu une année où c'était, ça coïncidait avec la fête euh, de Ramadan. Mmh. C'était le jour de la fête de Ramadan, le 1er mai. Et le défilé n'avait pas, le défilé lieu. pas eu lieu. Mmh. L'année 2021, c'est ça L'année 2022. Mmh. Récemment, 2022. En Et l'autre année, c'était également euh, au moment du mois béni de Ramadan et il n'y avait pas eu de défilé et ça coïncidait aussi avec euh, cette histoire de Covid-19. Mhm. Donc là, euh, cette année, vraiment, nous avons assisté à des défilés. Nous avons, quand vous regardez, il y a eu plusieurs défilés jusqu'à, je ne sais pas, ces trois regroupements de centrales syndicales, en tout cas, qui ont euh, manifesté leur joie par rapport donc, euh, euh, à, cette fête. quand vous prenez l'intersyndicale ITN, l'ITN a défilé de la place de la concertation pour converger vers la place Toumont avec les quatre centrales syndicales. Il y avait euh, la CDTN qui s'est retrouvée au niveau, comme d'habitude, à la déventure donc, du stade général Kunche. Il y avait l'UDTN avec euh, également d'autres euh, centrales, les non représentatives, si je peux le dire, excusez-moi du terme, mais c'était Les moins représentatives mhm. se sont retrouvées donc, de la place Salou Jubo, mhm. le rond-point Salou pour converger vers le rond-point Barré. Mhm. Donc, pour vous dire que vraiment, c'était célébré dans la quiétude. Mmh. Euh, c'était vraiment célébré dans une atmosphère de euh, calme, mmh. parce qu'on supposait qu'avec l'insécurité, il y aura d'autres régions qui ne pouvaient pas défiler, mhm. mais quand même, Dieu merci, les autres régions ont également euh, pu défiler. Mhm. Les centrales ont défilé dans ces régions-là. Mhm. Euh, ils n'ont pas fait fi, en tout cas, de l'insécurité. L'insécurité ne les a pas empêchés de défiler et de montrer. Et c'est vraiment euh, un retrouvail. Les, les, les <laughs> travailleurs se sont retrouvés. Ils se sont, en tout cas, partagés un moment de plaisir. Et il y a eu les doléances, mm. la remise donc du cahier de doléances euh, au niveau donc du ministère euh, de l'Emploi et du Travail. Mm. Et les doléances, euh, <laughs> chacune de ces centrales ont quand même essayé de satisfaire par ces doléances-là les syndicats, les travailleurs qui sont dans ces centrales syndicales. Mm. L'ITN, mais eh ce qu'on peut retenir aussi, c'est cette histoire, cette affaire euh, euh, d'interpellation euh, du secrétaire général de l'USPT. À la veille même, hein, donc, de, la fête, mais qui a mhm. été par la suite relaxée relaxé ou bien, je sais pas, oui, il, mhm. était libre de tout mouvement. Mhm. C'était avant-hier, juste après la fête il a été vraiment euh, relaxé. Donc pour vous dire que ça n'a pas empêché, même ça, ça voulait, ça pouvait en tout cas empêcher les travailleurs, surtout de l'USPT, à ne pas défiler, mais quand même, ils ont quand même répondu. Hein. Les travailleurs ont répondu présent et vraiment c'était formidable en tout cas. Ce qu'on a vu, ce qu'on a vu, c'était formidable puisque si une centrale ou bien des centrales peuvent faire 5 euh, heures de temps, mhm ou même six heures de temps en train de défiler sous ce soleil. Mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a quand même eu la possibilité de voir le nombre de, syndicats, le nombre de travailleurs que, dont dispose aujourd'hui le Niger. Mhm. Mais c'est des ressources. Il y a un grand engouement, Ousainissa C'est des ressources. Pourquoi est-il important de célébrer cette fête euh, du 1er mai Qu'est-ce que ça fait aux travailleurs euh, qui a l'honneur à ce niveau de participer à un tel défilé euh, c'est une fête hmm. qui, comment vais-je dire, quand tu dis pour le travail, c'est une fête très importante parce que hmm. c'est une fête symbole. Hmm. Symbole, c'est à partir de, comment vais-je dire, de la période des événements de Chicago. Depuis 1886. alors, qu'on a commencé à, prendre en compte un certain nombre de doléances des travailleurs n'est-ce pas À l'époque, c'était karma l'anarchie, les, les, les, comment avait dit, les, les employeurs il décidait de ce qu'il voulait. Il n'y mhm. avait pas de réglementation et tout et tout. C'est mhm. partir de cette fête. Et c'est en cela que chaque année, depuis cette date-là, depuis cette date, la fête a été régulièrement célébrée dans le pays. C'est l'occasion pour les centrales syndicales de relancer le débat par rapport à leurs revendications, à leurs doléances, n'est-ce mhm. pas Parce que ce n'est pas tout le temps qu'on a la possibilité de formuler des doléances, mais c'est des doléances qui sont là, qui courent. On essaie de les mettre dans un cahier pour les transmettre acquis de droit au gouvernement. Pour essayer de voir, mhm. oui, parce que vous savez, quand on mhm. soumet ces doléances-là, ces cahiers de doléances, ça donne lieu à l'ouverture des négociations par la suite mhm. pour voir quelles sont les doléances qui peuvent être à plus ou moins long terme réglées, quelles sont les doléances qui ne sont pas, pour pouvoir trouver des protocoles et mettre en œuvre ce que les travailleurs demandent, n'est-ce pas Bien évidemment, il faut que, et de part et d'autre, il faut qu'il y ait, comme avait dit, des consensus et tout et tout. Et c'est à l'occasion, c'est en cela que moi je pense que cette fête est importante pour, pour les travailleurs, l'ensemble des travailleurs. Quand je parle de travailleurs, je ne parle pas simplement tout le monde des travailleurs. Tout celui qui exerce une fonction rémunérée, mhm. quand même, c'est un travailleur, il a des doléances, il a des problèmes. Mhm. Il exige souvent des conditions, l'amélioration de ses conditions de vie en fonction du contexte, du nouveau contexte. Parce que vous savez, par exemple, cette année, cette fête-là est intervenue dans un contexte très difficile, le de la vie. Mhm. Ça a été dit d'ailleurs euh, par les leaders syndicaux. bien évidemment. Qui, dans euh, leur mm. discours ainsi que les cahiers de doléances, ça ne peut pas être occulté. Mm-hmm. Quand on sait comment on en est arrivé là. Mm. Mais quelles sont aujourd'hui les autres doléances euh, du monde des travailleurs ah, Il y a des doléances spécifiques en lien avec directement le corps, les spécificités. Mm-hmm. Ça, je ne peux pas parler de ça. Vous dites, mm-hmm. voilà, telle doléance. Quand je veux parler de manière globale, il y a une doléance là qui traîne depuis longtemps le recrutement, notamment à la fonction publique de ces contractuels qui dans sont le domaine de la santé, qui est un problème dans le domaine de la santé et de l'éducation parce qu'on voit mhm. on voit ce que est en train de produire à, mhm. l'école et à la santé parce que tout simplement ça a traîné que ces mhm. gens-là, qui sont arrivés, comment dirais-je, euh, comment dirais à la vie active, soit soient là, mis à l'écart pendant des années ou des décennies. Et aujourd'hui, ça pose problème. On voit tous les problèmes que ça pose du de vue, la revalorisation du SMIC. Alors, bien évidemment, c'est important. Qui 30 000 au Niger. 30, 46 mhm. francs. 47, mhm. je 47, ok. Mhm. Imaginez quelqu'un qui qui, est payé à 30 000. Avec cette chèque, qu'est-ce qu'il peut, qu'est-ce qu'il peut faire c'est des problèmes comme ça que le travail essaie de solutionner en prenant langue avec les autorités pour voir dans quelle mesure. Maintenant, c'est là le problème, c'est qu'il faut que les, chacun, les, les, uns et les autres soient dans une disposition d'esprit pour pouvoir s'entendre et améliorer les conditions. Mhm. Parce que la production, c'est les travailleurs. Mhm. S'il n'y a pas de producteurs, ça ne peut pas marcher pour un pays. Mhm. Et c'est en cela que moi, je pense, et ce que je peux peut-être souhaiter, c'est que à partir de ce premier mai, qui est beaucoup plus d'ouverture d'esprit de la part du gouvernement pour comprendre que les doléances que les travailleurs posent, ce pas des doléances fantaisistes, c'est des doléances qui sont justifiées un certain nombre de choses et qu'il faille trouver des solutions mhm. à ces doléances-là. Le président de la République avait d'ailleurs tuté le jour de la fête pour souhaiter bonne fête à tous les travailleurs euh, nigériens et exprimer un peu sa solidarité avec eux dans le cadre de la construction de l'œuvre nationale qui est justement celle de bâtir euh, un, pays solide et prospère. Gary Amadou, qu'est-ce qu'il faut attendre des autorités par rapport à toutes ces doléances du monde des travailleurs Certaines de ces doléances reviennent chaque année. Et c'était d'ailleurs la raison pour laquelle euh, l'ITN était récemment allé en grève. Oui, il, faut, dire que ce qu'on attend du gouvernement, c'est vraiment de prendre langue avec les, centrales syndicales et puis de se mettre euh, en tout cas sur la table de négociation et, dans la mesure du possible d'essayer de satisfaire les revendications qui peuvent être satisfaites de l'immédiat parce qu'il mm. y a les urgences et il y a les, euh, les, les revendications susceptibles d'être en tout cas satisfaites à moyen terme et à long terme. Mhm. Donc il y a le court terme, le moyen terme, le long terme. Et donc il faut essayer de voir ce qui peut être fait pour essayer d'améliorer. Et moi, mon souci, c'est concernant les enseignants contractuels que je trouve qu'ils souffrent beaucoup. Mhm. Les enseignants contractuels qui ne sont pas payés en même temps que les agents de l'État. Mhm. Vous voyez, les, les enseignants contractuels, le jour où on commence à payer les salaires, eux, il faut attendre vers le 15 pour qu'ils commencent à être payés. Cette injustice-là, cette injustice-là, il faut la régler. Il faut que, au moment où on dit que les salaires ont commencé, les enseignants contractuels puissent aussi partir au niveau de leur banque ou au niveau de la poste s'ils veulent, pour qu'ils puissent être, euh, en tout cas, être payés en même temps. Mm. Pourquoi cette injustice Pourquoi est-ce que les enseignants contractuels, il faut vers le 15 alors qu'il y a des loyers à payer la fin du mois, il y a des, charges, liées à l'électricité, il y a des charges liées à l'eau, pourquoi faut-il que les enseignants contractuels puissent attendre vers le 15 pour qu'on commence à les payer Cette discrimination horrible, je pense que l'État doit y mettre fin. Il faut que l'État prenne les dispositions pour que, je vous dis, dès que les salaires, les virements ont commencé, que les enseignants contractuels puissent avoir aussi, en tout cas à leur disposition, leur pécule. Et la seconde revendication, c'est vraiment créer les conditions pour que les enseignants contractuels puissent être ceux qui, en tout cas, ont une durée de, en tout cas, d'activité au niveau de l'enseignement, une certaine durée, pour qu'ils puissent être directement recrutés, n'est-ce pas Et même ceux qui ont dépassé l'âge, qu'on puisse créer les conditions. Je crois qu'à un certain moment, il a été évoqué une sorte de de recrutement exceptionnel qui peuvent être faits pour les gens qui ont dépassé l'âge. Mhm. Mais tout ça, là, je ne sais pas ce que c'est L'âge légal qui est 45 ans. Voilà, donc il je crois qu'il y, y, a des arrangements que l'État a voulu faire pour... Je ne sais pas ce que c'est devenu, mhm. mais l'urgence, je dis bien, c'est que d'abord pour le de l'immédiat, les paiements de salaire et les pécules de contractuels doivent se mhm. faire en même temps. Mhm. Ça, c'est une injustice mhm. qui doit finir une fois pour toutes. Ensuite, il faut recruter. Ce il faut recruter ces enseignants contractuels-là. Euh, voilà. Procédure. Qui font pratiquement la, le processus Est lancé parce Puisque l'État a prévu des évaluations. Mais oui, parce que les enseignants contractuels sont plus nombreux que les titulaires aujourd'hui. Bien sûr. C'est eux qui font le boulot, c'est eux qui font l'éducation. Et quand je sais que l'éducation, c'est un. En tout cas, c'est le, un des credos essentiels du président de la République, mhm. je me dis qu'il doit y mettre, en tout cas, euh, avoir un, regard plus, plus, plus accentué sur, ce, sur cette question-là pour faire en sorte que mhm. d'ici à la fin de son premier mandat, que on s'achemine vers la fin effective de cette contractualisation-là. Merci. Terminons le forum de la presse euh, de ce soir avec euh, ce triste euh, phénomène de société. Les assises de la chambre criminelle au tribunal de Maradi se tiennent depuis une semaine. Le nombre important des cas de viol sur mineurs sont préoccupants. Selon Ibrahim Moutari, il est commis d'office au tribunal. Pour lui, il s'agit d'une situation très dangereuse qui se répand et qui nécessite une intensification de la sensibilisation. Nous l'écoutons au micro de Mohamed Maman. Depuis un certain temps, à la chambre criminelle, nous constatons un cas très très répandu, des cas de viol, viol aggravé, viol sur mineur de moins de 13 ans. Vraiment, c'est une situation très très très dangereuse qui se répand. Par exemple, dans 20 dossiers, vous de 6 à 9 dossiers, c'est ce genre de, des infractions. Et à l'analphabétisme surtout, parce que c'est dans les coins les plus reculés quand vous constatez dans la bourse, les inculpés, les accusés de ces cas de viol, c'est généralement c'est des gens qui n'ont fréquenté ni l'école coranique, ni l'école moderne, qui n'ont aucun contact avec que le monde moderne et qui sont dans la brousse. Pour eux, tout acte est permis. C'est après avoir commis ces infractions qu'ils se rendent compte même que c'est une infraction grave. C'est quand ils seront au tribunal, à la barre, qu'ils vont voir que l'acte qu'ils ont commis, c'est un acte très grave, très dangereux dans la société. Au cours des années, parce que, par exemple, le viol sur mineur de moins de 13 ans, c'est un emprisonnement de 15 à 20 ans. C'est une majeure qui dépasse 13 ans, 10 à 20 ans. Généralement, c'est une peine lourde. Mais Diado, quelle analyse vous suscite ces propos du commis d'office euh, au tribunal de Maradi, Ibrahim Moutari, par rapport euh, à cette récurrence euh, de cas de viol, en particulier sur mineurs de moins de 13 ans D'abord, il faut mhm. déplorer cette situation, parce que mhm. c'est à déplorer. si on assiste à, une recrudescence de viol sur mineurs de moins de 13 ans, mhm. c'est grave parce que ça, c'est ce que nous avons. En tout cas, c'est ce que lui, il, nous, a confirmé. Mhm. Maintenant, ce sont les cas qui arrivent, à, atterrir, la justice, parce que c'est souvent un sujet tabou. Voilà, parce que là, il a parlé également mhm. de l'éducation. Mhm. Ah oui, parce que ceux qui font ces actes-là n'ont pas été, en tout cas, à l'école. C'est-à-dire qu'ils n'ont ni bagage intellectuel, ils n'ont jamais été à l'école, ils n'ont jamais été à l'école coranique. Parce que pour mhm. eux, si tu, au moins si tu es à l'école coranique, tu sais que c'est un péché d'abord ce que mhm. tu es en train de commettre. Et quand tu es au niveau de l'école, quand tu as été à l'école, mhm. ça veut dire que l'acte là que tu es en train de poser, tu sais qu'il y a des lois en tout cas qui réprimandent ça. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que là, nous sommes déjà Maradi, on connaît déjà ce qui se passe à Maradi. Maradi est déjà à une frontière de du Nigeria. Maradi est aujourd'hui sous insécurité. Mhm. Et, et, j'avais parlé de ça la, semaine passée pour dire que cette insécurité peut amener beaucoup de choses. Mhm. Ça peut, euh, les violeurs peuvent être de cette insécurité-là. Mhm. C'est-à-dire que peuvent sortir de ces jeunes ou bien de ces, gens, euh, de ces personnes qui sont enrôlées dans l'extrémisme violent. Aujourd'hui, c'est des villages reculés où ces filles-là sont en danger. Ça veut dire que c'est des villages où pratiquement il n'y a pas grand-chose à, à, à, faire quand un violeur, par exemple, tombe sur une mineure. Ça veut dire que c'est vraiment là où ils sévissent, c'est vraiment euh, dans, dans, des villages où l'instruction est minime, où déjà, et des fois, c'est les parents entre eux qui essaie d'arranger les choses mhm. pour les dossiers qui ne peuvent pas atterrir à la justice. C'est entre les familles que ça s'arrange. Ça peut être le voisin, ça peut être, oui, ça peut être l'oncle, ça peut être. Donc, c'est vraiment euh, un fléau. Mhm. Et de par le passé, nous savons que ça existait. Mais là, si ça continue, ça veut dire que là, il faut aller vers la sensibilisation. Il faut aller sensibiliser ces parents-là, mm. sensibiliser ces jeunes filles-là, sensibiliser également ces hommes qui sont en train de le faire, mm. pour leur dire que, écoutez, quand vous faites l'acte et que vous êtes déjà pris, ça veut dire que vous allez en prison pour 15 mm. ans. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'au Niger, euh, en tout cas, le viol euh, constitue un crime, c'est-à-dire que c'est une grave infraction. L'État condamne à partir de 10 ans quand c'est euh, viol sur mineur, c'est-à-dire moins de 13 ans à ce niveau, euh, le commis d'office a expliqué que c'est de 15 ans à 20 ans. À ce niveau, au Nissa, qu'est-ce qu'il y a lieu de préciser par rapport à la responsabilité sociale Moi, je pense, que hein, quand on dit c'est parce qu'ils ne sont pas là à l'école coranique ou qu'ils ne sont pas là à l'école, a déjà formelle, l'école euh, moderne, c'est à cause de ça, non. Moi, je dis c'est des excuses faciles. Mm. L'UNICEF, à travers les chefs traditionnels, mène des campagnes dans toutes les zones, y compris reculées, par rapport à ces pratiques néfastes, mariage précoce et comment, comment vais-je dire euh, et, La mutilation génitale. Mutilation génitale, scolarisation de la jeune fille. Mhm. Même quand on n'est pas allé à l'école, quand même, on est censé comprendre qu'il y a des choses à ne pas faire aujourd'hui. Mhm. tout ce qui pose problème dans ce pays par rapport à la persistance de ces phénomènes, c'est l'impunité c'est l'impunité. Parce que quand l'impunité va être résorbée, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre. Quand on a vu qu'on a pris quelqu'un qui a posé le même type d'acte et qu'il allait purger 15 ans, on va s'y comment déjà, on va, on va réfléchir par dix fois avant d'oser faire ce genre de choses. Mais il a expliqué, le commis d'office, que c'est des gens qui n'ont pas cette information. Mais ils n'ont pas, non, c'est ça, je Et de dire. quand ils arrivent au tribunal qu'ils se rendent compte que je viens les faits sont très graves. Je viens de dire une chose, quand même, l'UNICEF a fait un travail remarquable autour de ces questions-là. Mmh. Pendant des décennies. Puisque hein. l'UNICEF je sais, les droits Je sais de mmh. quoi je parle parce que j'ai participé mmh. eu à participer à des choses comme ça. Et c'est au fin fond du Niger où on met à contribution les chefs coutumiers mhm. pour faire des campagnes de sensibilisation avec des leaders religieux, leaders d'opinion et tout et tout des zones mhm. pour amener les gens à comprendre un certain nombre de choses. Si ça persiste, c'est parce que tout simplement, à partir du moment où on criminalise, parce que ce n'est pas seulement dans ce domaine-là, dans tous les domaines, à partir mhm. du moment où il y a des lois qui sont prises, moi je dis il faut appliquer ces lois-là avec la plus grande rigueur. Parce que vous savez, <laughs> la pédagogie, souvent, ce n'est pas forcément la sensibilisation, mais c'est la sanction là qui peut amener les gens à être droits. Mais quand il tu a pas de sanction, ou il y a des arrangements, souvent. C'est souvent même les cas qui atterrissent au niveau de la justice, parce que le cas, c'est des cas qui sont très graves, avec des hémorragies ou autres. Mm-hmm. Et là, à ce moment, on ne peut pas cacher n'est-ce pas mm. Mais sinon, il y a plein d'autres cas. C'est ça même les cas graves, le viol aggravé à ce niveau. Mais, justement. Les moins de 13 ans. Voilà, non, mais je mm-hmm. veux dire, parce que Mhm. Quand ça à, ce niveau, le viol, ça peut concerner les mineurs, mais également des femmes majeures. mais, quand c'est des mineurs, c'est plus grave. Et là, quand c'est moins de 13 ans, ça devient plus, encore plus grave. Quand on s'est dit, dans, le mhm. cadre d'une vie en communauté, on s'est dit non, c'est un voisin, on ne va pas le dénoncer, mhm. on va se trouver un arrangement. Et puis on la l'affaire. Mais l'enfant va être traumatisé toute sa vie. N'est-ce pas Parce que des grandes personnes ont décidé que il n'y aura pas de, il n'y aura pas de, y aura pas de poursuite. Mhm. la, personne va être traumatisée toute sa vie. Mhm. Moi, j'ai dit, il faut sanctionner, c'est tout. C'est la seule solution. La dernière fois, je prends l'exemple, mhm. un autre phénomène, notamment le mariage précoce. Un cas qui s'est produit récemment, je ne sais plus si à Maradi ou à Zende, ou, dans quelle localité, je ne sais plus exactement, ça ne remonte pas longtemps, hein, où la fille s'est donnée la mort, n'est-ce pas Qui a provoqué un émoi au sein de l'opinion nationale. Ah, alors, est-ce qu'on doit continuer à observer des choses comme ça Est-ce qu'on doit continuer Merci, on vous a bien compris, Hussein Nissa. Maïmoun a suggéré la sensibilisation, vous avez ajouté euh, l'application de la loi. Euh, il faut rappeler donc que le viol, on l'a dit, c'est une infraction qui constitue un crime au Niger. Le viol est puni de 10 à 20 ans de prison si c'est une euh, enfant de moins de 13 ans qui a été violée, c'est à partir de 15 ans, donc de 15 ans à 20 ans. Et c'est souvent un sujet tabou, c'est ce qu'on rappelle souvent. Gary Amadou, comment le Niger peut réussir à éradiquer ce phénomène euh, au Niger Je pense que pour réduire ce phénomène-là, il faut, moi, en plus, de, il faut durcir les peines. Mhm. On parle d'une vie d'une petite fille qui est gâchée. Mhm. Non, il faut dire la, la, peine. Je me rappelle d'une vidéo d'un procès qui s'est déroulé au Soudan où trois personnes, trois gros gaillards mhm. ont violé une fillette de 8 ans et ils l'ont assassinée. Mhm. Vous savez ce qui s'est passé en plein tribunal La peine a été prononcée. Excusez-moi, je, ne veux pas choquer les téléspectateurs, mais les organes génitaux de trois personnes ont été coupés en public. Donc il y a des pays où c'est la, castration. il y a une autre infraction qui est là, le meurtre. Oui, mais il y a des pays, dans lesquels les violeurs multirécidivistes sont castrés. Mhm. Ça existe. Mais on a la chance que le comité d'office a déjà mis en exergue quand même quelque, quelque, chose qui peut être la raison pour laquelle ces mhm. gens-là commettent ces choses-là. Mhm. C'est un problème d'éducation. D'éducation au niveau de... manque d'éducation de, coranique, d'école coranique, manque d'éducation moderne. C'est peut-être une piste pour aller, pour pouvoir sensibiliser. Ça veut dire que tout le travail qui sont fait, le travail qui est fait par ces, qui, en tout qui qui est fait par ces ONG-là, mhm. est un travail insuffisant en réalité. Parce que les campagnes de sensibilisation sont menées par l'UNICEF, mais, il faut s'interroger sur l'efficacité de ces campagnes-là. Mhm. Qu'est-ce qui ne marche pas Pourquoi est-ce que malgré toutes ces campagnes-là, ces choses-là sont en train d'arriver Donc il faut que l'UNICEF aussi revoie sa stratégie pour pouvoir en tout cas adapter sa stratégie au, contexte actuel. Aujourd'hui, ces jeunes-là, pourquoi je parle de dessus la peine mhm. Mais écoutez, euh, euh, euh, je suis d'accord avec Hussein, même s'il y a la question de l'éducation, mais on n'a pas besoin de partir à l'école pour savoir que voler, ce n'est pas bon. Mhm. Ça. Ça relève du bon sens. Mais hein. bien sûr, voler, il y a la morale. Mhm. Voler, Voler, n'est pas bon, mhm. n'est-ce pas et Tuer son, son prochain, n'est pas bon. Et donc, les rapports intimes, c'est dans le cadre du mariage, mhm. tout le monde le sait. Et une petite fille, il faut préciser que quand on parle de viol, il y a la contrainte et le consentement chez les enfants. Même. Ce n'est pas accepté le plus souvent. Donc la question de mhm. l'éducation, même si elle est importante, elle n'est pas suffisante mhm. pour pouvoir expliquer ce phénomène-là. Les gens sont euh, euh, euh, mal éduqués au niveau de leur famille, de, de leurs parents, qui ne leur apprennent pas les choses à faire et à ne pas faire. Voilà ce qui se passe. Et donc quand des parents échouent à éduquer leurs enfants, on assiste à des choses comme ça. Et on assiste à, la naissance de violeurs, de voleurs mm. et des assassins. Vous voyez quand on voit par exemple dans une école, on dit que non, un élève a poignardé son maître. Ça, c'est un problème d'éducation. Mm. Parce que lui, il est même à l'école. Il est même à l'école, mais il a assassiné son maître. Mm. Il lui a mis un couteau. Comment on pouvait expliquer ça ça encore, vous allez dire que... Donc c'est pourquoi l'argument de l'éducation, même s'il est important, il ne peut pas mhm. tenir la route. Je suis d'accord avec Ousseini. Donc il y a un travail de sensibilisation à, poursuivre. Et surtout, le travail le premier à faire, ce sont les parents. Dès que l'enfant naît là, il faut l'encadrer sur le plan de la morale, mhm. le respect du bien public, du bien d'autrui, le respect euh, de la famille, l'importance du mariage. Mhm. Tout ça là, il faut expliquer ça aux enfants. Ces filles là qui sont violées, elles sont l'avenir est détruit l'avenir est détruit. Et c'est souvent un sujet tabou, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, puisque on n'en parle pas et les gens se disent, bon, dans une famille, quand ça arrive, certains sont obligés de cacher parce On risque de dire que c'est dans telle famille que c'est arrivé. Le problème, c'est que mhm. parfois, c'est même un proche de la famille qui fait ça. Mhm. Si ce Si pas l'oncle, mhm. c'est le cousin qui fait ça. Il faut fouiller. Si vous fouillez le dossier là, vous allez voir. C'est toujours un proche. Donc ça salit la famille, ça salit la famille. Et on a tendance à vouloir faire des arrangements. Moi, je suis contre les arrangements. Moi, quand je vois une petite fille de l'avenir est gâchée, mais excusez-moi, mais moi, je pourrais même faire la promotion de la peine de mort. Hein. Mm-hmm. Ah oui, je vais choquer beaucoup de gens, mais je pourrais mm-hmm. faire la promotion. Mm-hmm. Moi, je trouve que c'est animal de, de s'en prendre à une petite fille. Même à une fille majeure, la plus forte, une petite fille qui ne sait même pas ce que c'est la vie qui ne sait même pas ce que c'est, qui ne comprend même pas ses parties intimes. Une petite fille comme ça, vous venez vous détruire sa vie. Mhm. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec les gens comme ça Mais ben, si on vous a bien compris, ne veut terminer avec euh, un message, c'est ça Non, mhm. en fait, le, ce que je voudrais augmenter, ajouter, c'est qu'il faut pas perdre de vue également que aujourd'hui, c'est énormément de drogue, de mhm. stupéfiants, en tout cas, qui rentrent dans Mhm. dans notre pays. Donc les causes sont multiples. Les causes sont multiples. Et multiformes. Oui, on peut parce mhm. qu'aujourd'hui, c'est la délinquance totale. Mhm. En tout cas, on assiste à une délinquance totale de ces jeunes-là, totale de ces, ces hommes-là qui prennent ces stupéfiants et qui font des choses. Et après, moi, je me dis, ils font des choses, euh, ils savent déjà, ils savent, mais quand même, il y a d'autres, quand vous, vous, les, vous les demandez, il faut d'abord prendre ces stupéfiants pour pouvoir faire autre chose. Donc, moi, je me dis que nous sommes envahis par ça sommes envoyés par les stupéfiants, il ne faut pas l'oublier. Mhm. Nous sommes également aujourd'hui dans cette sensibilisation que je viens de dire à l'instant, c'est surtout sensibiliser les parents pour que les parents puissent dénoncer. Mhm. Parce que c'est là où ça cause problème. Il faut donc euh, briser le tabou. On vous a bien compris, Maïmoune Gado. Nous sommes au terme du forum de la presse euh, de ce soir. Euh, nous disons merci à nos trois invités. Maïmoune Gado, journaliste indépendante. Garé Amadou, journaliste au journal La Nation et Hussein Issa Jubo, journaliste indépendant également à la modération du forum de la presse de ce soir. Je suis Michel Deji. Merci à l'équipe euh, technique euh, composée de Seni Saka et Mustafa Yuba. Excellente soirée à toutes et à tous et bon week-end. Au revoir.